kabore sehiji damanti na gosite, gosi non kaburi irdambore tibora dinaka daniya hanno madirka to batora dinka ya lalo bora di bato hari no bora gafanai gosi non kaburi irdambore tibora Bonsoir et bienvenue sur votre émission hebdomadaire Tous à la Fada, consacrée à la vie et au quotidien de la jeunesse nigérienne. Aujourd'hui, nous avons installé la Fada spéciale avec nos amis jeunes pour discuter de la thématique environnementale. C'est ainsi qu'en première partie d'émission, Rabi a parlé du combat que les jeunes sont en train de mener présentement, le défi à relever par les jeunes. Comment cette lutte pour la préservation des écosystèmes se passe-t-il Quels moyens pour quelles méthodes de lutte Les difficultés que rencontrent les jeunes dans leur engagement Quels sont les impacts de cette lutte sur le moyen et long terme Nous discuterons de tout ça. Difficultés, il y en a certainement. C'est pas Mabiba qui va me contredire, n'est-ce pas Ça va, c'est pas du tout chose facile. Non, pas du tout. Mode, euh, nature, euh, engagement des jeunes. C'est pas facile, le combat n'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Tout à fait, ils finiront par comprendre. Nous discutons de tout cela avec nos invités jeunes autour du thème l'engagement des jeunes dans la protection de l'environnement, difficultés et perspectives. Tout ça la FADA, c'est votre émission, cher auditeur. Vous pouvez donc participer à nos échanges. Donnez vos impressions, vos avis en laissant vos commentaires que vous pourrez aussi écouter tout au long de l'émission. Pour cela, joignez-nous au 80 06 88 54. Vous pouvez également recevoir nos contenus en envoyant également jeune au 80 06 88 54. Tout ça la FADA, c'est 35 minutes d'échange, discussion, chronique rubrique musique. Eh bien, c'est ça sur le studio Kalango. Top chrono, on est allé. original. Président de la tu n'es plus à présenter. Euh, on sait que tu es un jeune très très engagé et à chaque fois qu'on parle d'engagement, tu te pontes. Alors, nous sommes exactement où À la place Guntiena. Guntiena, il y a, ans Ah, impossible à imaginer qu'on pourra faire la fada ici. Là, on voit la nature a pris le dessus. Mais bien sûr. Il n'a tout au Et tout au dire, l'aide d'anga, dans son ou Exactement. Save environnement. Ismaël. Hein. Ismaël. Dandy. Serve, ça va bien Ça va très bien. Arangoga environnement au sauvé. Disons qu'on essaye de faire ce qu'on peut. Tout simplement. Mais on ne peut pas tout faire euh, seul. Oui, tout à fait. Bien sûr. Mhm. Et lui, c'est Abdel Karim. Abdel Karim, ça va bien Garçon choco, bien habillé pour permettre à ceux qui kiffent cette émission d'avoir une idée de qui est-ce que j'ai en face C'est 46 radios qui relaient cette émission. Il a bien en chemise, le monsieur, il a un jean bleu avec, euh, euh, bien évidemment, euh, des Adidas. en tout cas, c'est des choses de malade, hein, je vois. Ça va, tu es en forme Ça va. Mabiba, la mode est au cœur de cet événement. Nous allons parler de mode, nous allons parler d'environnement, nous allons parler de tout ce qui va avec. Nous allons parler de sensibilisation. Biba Kunche. Oui. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. La marque Mabiba se porte à merveille. Très, très bien. Vous êtes en train de mener un combat énorme. Mm. Je commencerai par vous. Mm-hmm. Au Niger, nombreuses sont des structures de jeunes qui militent pour la protection de l'environnement. Et vous venez, depuis un certain temps, de mettre aussi les mains dans la pâte. Vous pouvez nous expliquer un tout petit peu euh, cette motivation sur cette émission Les jeunes ont envie de savoir. Pourquoi Mabiba s'est engagée dans ce combat la motivation, elle est toute simple. Moi, quand j'ai commencé la mode, je ne savais pas du tout euh, l'impact que je pouvais avoir euh, autour de moi, en tout cas sur l'environnement. Et comme j'avais dit, quand j'ai commencé, j'avais commencé en tant qu'autodidacte et j'ai commencé à faire des recherches, à me former. Au fil du temps que j'avançais dans les recherches, je me suis rendu compte que euh, y a ce qu'on appelle la mode éco-responsable. La mode éco-responsable. Voilà. Et euh, j'ai fait beaucoup plus de recherches. On a dit wato dindai tissu kulkandum aiduno aigata. Hmm. Ai sekai gugun gidi tissu o dainata déchets kandumino agte ir environnement bon. Hmm. To mode éco-responsable mo ngono gici mode kan eh, niga hagwaida matière kan yan nigi utiliser oh. donc matière yan kan naturel yan no ou bien matière biodégradable yan no hmm. en tout cas matière dai kan ba akwai environnement wura asi eh, environnement ta bandiga to danga wo kan borman kulawa da voilà man tika daga bankare dangi talon kuku fon dangu windi windi no modo wo iri iri no a hunkuna eh, a da bor kulma hagoy de moddo kan mono a goga dan me ga ah, utiliser ga environnement ngo faba aino fam ni ma biba <laughs> ah Ismaël Qu'est-ce qui a été fait comme action par les jeunes personnes comme structure associative Vous luttez dans ce sens. Exactement. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait il faut ifo deno aran teza aran ifo no borgere mote ima kulka don dia isbay halay gahin gawadin kulki ni se am wende 30 minutes parce que euh matani teni na wana me simay oh no ay ga shay kain phone la kalem du kani wallahi inta da shay zet yer mu ko ismail to don dia go manis ah ino go angan sene question il faut no aran teni Euh, bon, euh, plus sérieusement, disons que depuis sa création en 2018, Save the Environment a euh, énormément euh, Il faut que tu apporté. Hein. Save the Environment, c'est quoi C'est une euh, organisation à but non lucratif qui hmm. intervient dans la protection de l'environnement et des personnes exposées aux risques et catastrophes naturelles. C'est-à-dire, en fait ah. de la promotion du développement économique et social à travers la gestion et l'exploitation durable des ressources naturelles. Hein ni wo moddo no gana nga mo agogo fondo asi mo no ergo gor kerbande hunkuna emission mo na morgu morgu bore kangi ni chare nga denir morgu morgu koyrem koy Donc euh, voilà, je disais que depuis sa création, SEV a énormément apporté hein, comme contribution dans la lutte contre euh, la prolifération des déchets plastiques mm -hmm. et, et, aussi euh, métalliques et autres. Donc euh, on avait commencé par la sensibilisation, ça c'était vraiment au tout début de, notre mission. Comment s'est passée cette euh, sensibilisation Cette sensibilisation s'est passée d'abord en, disons, deux phases. La première phase, c'était quoi C'était de faire euh, une certaine sensibilisation vers les jeunes, mhm. et les jeunes, plus précisément les jeunes en milieu scolaire. Mm original, président de la Nassim Niamey, 3 août 2020, j'ai vu les artistes au cœur de ce grand événement. Proclamation certainement de l'indépendance du Niger au niveau de, du rond Liberté, 3 août 1960. 3 août 2020, on vous a vu à l'œuvre. 3 août 2020, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en tant qu'association musicale pour sensibiliser et lutter contre l'avancée du désert, lutte contre la désertification Watidin, agriculture de géographie. Et c'est bien programme, voilà, sinon. Ayo san shayi. To san noban. Asidin san sugari nugudum turinya. ina turu nya mo rugo ni ji kan gutu fansi ina ni singa o mai ji ga izo chero ga a gutu fansi ni <laughs> Asidin no da ji ga gna ne bai e nya wo bor kul ga bai amfano zaman nan kirgo hankuna ni di turu nya chirnir go turu nya mo din koila sabu a bisa eh sankantan wane o dai man wani alhalo ga kana gogo mm. ni faham mhm. eh fundi modeno ga to diman te fundi an zama an kuna ni bai eh irworgo association jine anasim jine artiste jine eh warga bai mo hankuna artiste sanni kan yi gaci ingai donaira boraini ni hangana ga babisa siyasa zai mm. zama hankan artist ga hin gaci inga donora siyasa zai ba borai morguno borai hangana sai asi dono ya aga continue go don to wadi no gati mannan a cikin watan takwas wala mantin mara man mangar dono wala mhm. ana te borbo bayan mogo go donu turai se turai se tubal boro tarnye mm. donu ganjal manai se to fondo fomo no ame wala ni di hankuna ikul no go charra zama da turi gono ngwari gono mm. almanai se mm. da da almanai mo ngwa muna da mai zai mo gonwa Mhm. yaadin no cimno sanodi to dalmanen leyde kama mo irmoga leyde kama irmorga leyde kama irga de kama to wodinga tikan irna hay kulkanti artiste kango niger mhm. zama 2021 wadi no operation o o kulkango niger zender nonigo man no nonigo 3 auto nim tour nya duma damantin kwara no nim du nongu kanno aran ko aran na tour nyango duma e manti tour nyango dum yango fa sa jaw yango

L'artiste s'exprime, c'est une rubrique de l'émission et tout à la Fada, une émission consacrée à la jeunesse nigérienne. On suit l'artiste de la semaine et tout de suite la suite. L'homme doit avoir toujours une seule parole. S'il respecte nos choix, nos paroles, leur réussit car l'on ne change pas de but. Et l'artiste s'exprime. Vous, vous rappelez certainement de Seini Daouda Lukman. Il est né le 31 janvier 1998 à Niamey. Après l'obtention du baccalauréat au CSP et il s'inscrit à Swiss University of Niger. Il est membre des leaders du 21e siècle. L'homme doit avoir une seule parole si l'on respecte nos choix, nos paroles, l'on réussit car l'homme ne change pas du tout. C'est avec ça que nous avons débuté cette émission. Et ce slogan lui appartient. Nous allons parler d'un document, mon bac. Ce document fait le décryptage d'un véritable code linguistique et spécifiquement humain. La conscience est ce qui différencie l'homme de l'animal. Mon ami Saini Daouda, dont dit la machine, ou si tu veux, Daouda Karimou te souhaite la bienvenue sur l'artiste Tu vas bien Oui, très bien. Tu es en forme En pleine forme. Super. Alors, puisque tu es en forme et que tu es en pleine forme aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un peu de ce document. J'ai envie qu'on parle un peu de mon bac. J'ai envie qu'on parle de cette œuvre et tout ce qui va avec. C'est quoi C'est un recueil Œuvre C'est quoi mon bac C'est un anal. Ah, c'est un nanal. C'est quoi un nanal? c'est un document qui va permettre aux candidats, aux élèves réellement de lire leurs cours d'une façon résumée. Et là, tu t'adresses à nos amis bacheliers Effectivement. D'accord. Décortiquons mon bac sur cette émission. Pourquoi mon bac Parce que réellement, pour accéder aux études universitaires, pour mhm. être quelqu'un, un leader pour un pays, il faut obtenir son bac. Il faut forcément obtenir son bac. Effectivement. Et ce document aide nos amis jeunes qui regardent cette émission à avoir leur bac. Effectivement. Parlons du contenu de mon bac. Qu'est-ce qu'il y a dans mon bac, mon ami Dans mon bac, euh, le document contient des cours philosophiques, mhm. des cours littéraires. Quant à la philosophie, c'est des résumés de tous les chapitres à travers les définitions, les concepts philosophiques et les critiques qui ont été apportées. Ainsi aussi, il y a les, les sujets, les corriger avec les problématiques pour réellement permettre aux candidats de s'en sortir dans la démarche de la dissertation, du commentaire, qu'il soit en français ou bien en, en philosophie. Alors pour moi, ce document est un atout pour tous les candidats qui réellement soit à la quête de la recherche du savoir pour obtenir leur diplôme. Super. J'aurais aussi appris que tu tiens eh, des formations un peu partout au Niger pour aussi aider, accompagner nos amis candidats. Et nous, nous faisons avec l'actualité. On sait que bientôt, c'est le baccalauréat. Et on sait aussi que le bac se prépare le premier jour de la rentrée. Mais il n'est pas aussi tard. Et je pense qu'ils doivent parcourir ce document pour se former et affronter comme ça se doit les épreuves du dit examen. Alors, quel serait donc ton message à l'endroit de nos bacheliers qui regardent cette émission, qui nous écoutent aussi à travers nos 46 radiotechniques, pour qu'ils puissent euh, s'en procurer de ce document, c'est important. Parce que ben, on peut parler de ça, mais comment l'avoir, c'est aussi important. Alors, ton message sera adressé à tous nos amis candidats, à tous les parents d'élèves qui sont scotchés sur cette émission. Parce que nous voulons aussi vous apporter notre contribution. Monsieur Seni, nous vous écoutons. Je tiens à demander aux candidats de m'aider à leur aider. Mhm. Car si réellement ils prennent euh, mon document pour réviser et autres, ils poussent le Niger à aller vers l'avant et ils poussent les jeunes écrivains à écrire, à apporter leur soutien. Mhm. quant à mon dernier message, je les invite le 6 juin Inch'Allah, au campus de l'université suisse IMEF pour assister à mon vernissage de ces documents dont on a fait l'émission. C'était donc euh, Seini Daouda Lokman sur l'émission Tous à la Fada sur l'artiste s'exprime. Et la machine d'Andy prend congé de vous. Sur ce, nous vous demandons de rester en compagnie du programme du studio Kala, Machine and écrivain Tolkit. Hey. À l'instant, c'était l'artiste s'exprime, une rubrique de l'émission Tout Soit la Fada. Cette émission consacrée à la jeunesse du Niger. Vous êtes toujours donc en compagnie, et eh bien évidemment, des jeunes du studio Kalango. L'engagement des jeunes donc dans la protection de l'environnement, difficultés et perspectives c'est de cela qu'il s'agit. Pour en parler, nous sommes toujours avec euh, Biba Kunche, Biba Kunche de la marque Mabiba. Nous sommes avec Ismaël de Seven Environnement. Nous sommes avec Origi, l'original, le président de Anassim Niamey, parce que les artistes sont aussi en train de lutter comme pas possible euh, pour préserver la nature. À nous sommes aussi avec monsieur Abdul Karim. Nino ka Ninigaha, makoni. Par exemple, exemple, le Niger dispose depuis novembre 2014 d'une loi anti-sachet plastique. Cette loi interdit la production, l'importation, la commercialisation, l'utilisation et le stockage des sachets emballages en plastique à base densité au Niger est suivi de certains décrets d'application. Mais à la pratique, qu'est-ce qu'on constate Pourquoi Évidemment, une loi a été votée à l'Assemblée pour l'interdiction des, des, des, sachets plastiques. Mhm. Mais cette loi a été votée, mhm. mais cette loi a été encore mise à l'écart. Mhm. Pourquoi Parce que c'est lié à notre politique, c'est que je peux dire. Nous, nous avions eu fond, non e Ah oui, avion quand il dit. Oh. Boré dini himgala sabuno kang. Hayadimu danger na agoga kandi. fond nidi wala nan kage ban mu kage seno na hir haro wanje ga babi ta to ya kamata mu son haro maduga kan aigo kahin suru ai kyora biba kunce na made an kan jeno ci da mhm. to ifo daino gogo kon bawo karango te tafar genre qu'est-ce qui bloque le combat des jeunes dans le sens de la sauvegarde de l'environnement son un combat fo sintin ifodeno sintingini bulokol ifodeno goga aran kambe hol fono goga aran kewai tafar pour que aran sigin atemat karan ge manda eh hein. émission o jeunes wono of ermis tu cher sai ko to ba jeune gano talo gor match parce que en fond de bor sintin harimo boray si faham di cher before dinin sentir vertora de manu kan e kiror mon baygidi ledi kwai goy gay go fi sura kai mhm. jeune foyam faham jeune fo man faham mhm. bor femme fam bor femme man fam il faut daino goga aran bloquer hayo kul problème kul karan gudu ne baram ke ci ka ka jara. to ay ga sik kan ni question o rani na response no aha aya kan gogo bloqué inga ga ci jang fa hamadi ni oh. parce que don da e Niger talato me ame no don kunir sinewo hima ir mu fa ham ga bay kan eh, matkan irgogo dai wo consommation o ti da da bayan mm -hmm. impacto ir a agoga kan amma ir hima kambadancar kambara haikul kan gaci association ai ong gwamnato gwandinga ministero kan sigine minister de l'environnement ir kulu dai de bi zai me ame ir kambadancar kambara kan ganan irma ledai woda mantile da hinne kulkan da di hinga na tero grade irma kago wadi ne a bon sambu hmm, to irma wargi milka an komba wa irga ga rafa hmm. kalde borem fam parce que janga fama de wala ngono subori original original na ton ga artiste gin bora misali ga nyameno est-ce que arango du moyen yang kangunan kwamba wo kan aran sinten aran ma to da bafilo est-ce que moyen ye o igogo s'arranger si oui comment analysez-vous le rapport des moyens mobilisés et actions réalisées sinon pourquoi et quelle stratégie amener pour lever plus de moyens to eh, de bay moyen gono igogo da arranger moyen wo moyen wo sino moyen wo sino manti komba combat. hinnafa danga ba culture o kombara moyen sino zambura kulga bay mato kango gate zama ranga kan ba ministere da dai kan gwamnati yabe in ga tikilcir ministero mm. zama inga no sindo noru ministere me da mera mm. ya dinga ni di artistai wo ifo ga ti moyen ga ti dai idenai imayai inga ga ti imoyen zama hankunai cin se eh, dina doni ka barkul ga hangani se to strategy ga ti kan ifo ke borai mu cabejina mangano inga ga ba inga mu koi pour que boriyamma kaga dise ma to kan bifo ma bibate hmm. akuno boray kul di hankan noate boray kan faham ika boray kan man fahamu igi bongay feri emu ga faham hankuna kan an wonete

gorga sunge hamnora voilà donc mm dit, ni di mo hay kulkan ni te kala moyen mhm. hay kulkan no bor so wo kala moyen zama c'est les moyens no avec kan voilà il faut qu'on touche une certaine euh, euh, euh c'est-à-dire la majorité de la population et kuna dengu Niger 75% c'est les jeunes et consommation au medame kango gate da ledan no de haifo c'est les jeunes dottije kan yancin dir sisiba hmm. an kuna to ya dinga dir mana borai lakkalai candi parce que boreyan no go bandadin irin hansi se jine zamir wo sohon jire kan cindir sai hambagar on n'aura pas le double de ce qu'on a vécu ir ko hinno no gabai me borai kan yanga kayar da ir izai ha mai daifo ingai sai nirga hansi. hanse yadin se seno artiste. donc se borai sai din seno banda imama hanse voilà artiste imahima zamu doni doni gogoro doni hinza kana le 3 juin no musu te jiro hinza to puisque follon kaira le 21 juin no artiste e rendra hommage fête de la musique fête de la musique ohane inshallah irmo irgi be fête de la musique il faut nous proposer c'est musu pusi wane donir mahanganir la kalem c'est Moussa Poussi, proposé par le président de l'ANASIM, qui va donc rendre hommage le 21 juin à l'artiste Moussa Poussi. Il continue à vivre à travers ses œuvres artistiques. Vous êtes toujours sur Tous à la Fada. Cette émission, vous le savez déjà, est consacrée à la jeunesse nigérienne. Tous à la Fada, nous discutons aujourd'hui de l'engagement des jeunes dans la protection de l'environnement. Difficultés et perspectives. Ismaël, Save Environment nigo ma ise aigo ma dondi ismail il fur troisième partie Ok. okay. nigo be mo kenda bibu kunti no inda uriji no inda abdul karim yanno mm que faut-il faire puisque tu as l'expérience pour protéger l'environnement l'instant est solennel nous cherchons des solutions attends la question elle est à la fois complexe ah. et simple complexe et simple. Je commence par les solutions les plus simples. Les solutions les plus simples. Premièrement, ah. je pense que c'est vraiment un avis personnel. Il faut qu'on accentue la sensibilisation. Il faut qu'on éveille davantage la conscience des, des, des jeunes l'éveil de conscience. L'éveil Deuxièmement, c'est important. Non, c'est important de, détailler pour, être bien compris. Au deuxième point, je passe très vite. Deuxième point, c'est-à-dire, il faut qu'on fasse en sorte qu'aujourd'hui, tout le monde s'implique. Quand mm. je dis tout le monde, je fais allusion aux ONG, aux associations, aux actifs, à la politique. Euh, tout le monde doit, se... Euh, doit être impliqué à la politique, aux leaders coutumiers et religieux. Hmm. Bref, il faut que tout le monde s'implique. Ah, troisièmement, si j'ai le temps de eh, le dire. Dis-le, monsieur Baha, détail. <laughs> Comme ça, je passe la parole à une Alors, troisièmement, pour faire simple, euh, je reviens à ce que mon grand frère Origi a dit. Hmm. Il faut qu'on mobilise les moyens. Donc, euh, il faut franchement qu'on mobilise les moyens. Voilà. Deuxièmement, l'implication individuelle et collective. Troisièmement, la mobilisation matérielle et financière à l'endroit de tous les artistes et organisations et morale. Merci beaucoup, aussi, parce que les doivent aussi <laughs> Merci, Merci, Dondi vous êtes revenu au Niger depuis un certain temps. Vous avez pratiquement commencé la mode hors du Niger. Vous étiez en France, euh, vous êtes euh, tout le temps ici aussi. Vous avez donc une certaine information sur le Niger, sur le plan national, en quoi la génération actuelle pourrait être plus ou moins résiliente. Sensibilisation au bon nom, hmm. Aïgba Aïma insisté. Eh, à Fodei, eh, ménage par jour. Mhm. eh, sashe margino a ga tan kwarara mm. by example dubar kwai habu mm -hmm. de tomate no bor dai de tonka tay no ni dai de poivron no ni dai hay kulka no ni dai basigar no de led kwarara ni gaji no ni marge no ni dai kan ni ga hinan da ikulu mm. le de rano wo kul iga da da furu din ka zani banni ni da ni ga furu no mhm. to apello kan ay gogilan sino aya mm. way borai da alborai ga mm. nan kulkan no arango aran mu wanji wadi zamle da kan furdin sintina borfo ka fur fiso margu de no fiso mo de no gna tiro e tufe to imagine borfo lon zari rale de margino afuru oh. bor hin kadir ka bu population ko margina ya e par jour mm. to mu kabu par mois mm. l'année da cecene no ne dai ta da awara no ne da le da da pari masa no le wato dirgo koi dai fari masa le za premidi tasino irg sambu tasino konda to sun ta su sino sai ni gidan irse ne eh, ba university hauro dir ko ga sambu to ayo lady rani ga hauro da ngai to ni di wala sambu le lady bakare da ne rijin ka fo ngi pu pu fo no hauro ga leda bo wanjin da irma wodin bi ba erge kan ga ni dai no conclure bu bo orijiji irma no banan ta fa ala ne ne ser ma no bananta ay go hanga ergo ke ki solution mo no artiste no nugu artiste représenté il faut den gingite pour que environnement o mo kulmu kam ko karo don da irma irma faba bor kul experience on ba irma modo ra irma save environnement irga bar ma artiste mo ifondire ma armti be artiste ay cede se i wongujina kangi se gati dena mm, misali ga i won armoinwa oh donc doni deno igte kanga boray sensibiliser zama halka son boray man faham mm. boray man faham et Niger notre compréhension elle est lente et difficile ce qui fait que dengono na banuru wala mankuna publicité kan France wo 30 secondes na gabisa ne aga to minti gu minti iye kalima te sketch pour que borem duga fam oh. ya deniga aseno borem si farganda fam donc nugo fama nugo ci artiste ganga mum si farganda do onay boré bon effet. voilà din ton téléphone sar fabriji to <laughs> son né au bono ergo olivier olivier c'est le monsieur qui présente la chronique de l'émission Tout Salafada, qui parle du buzz, de l'actualité, de tout ce qui concerne les jeunes. Vous êtes d'accord C'est une chronique conçue par des jeunes et pour des jeunes. On suit Olivier et tout de suite la suite. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Parmi les buzz qui ont alimenté les réseaux sociaux cette semaine, une particulièrement a retenu mon attention. Eh bien, celle de la photo de la petite fille qui a acquis le président de la République Mohamed Bazoum remettait un livre. C'était le mercredi, le 2 mai, lors du lancement du projet Lire Niger. Amis auditeurs et auditrices, dans la chronique de ce soir, nous irons loin des réseaux sociaux. Ce soir, nous allons parler de la lecture de livres papier. Plusieurs fois, nous avons rappelé l'utilité de la lecture dans le développement de nos connaissances. Certains vont jusqu'à affirmer que lire, c'est nourrir son âme. Eh bien, amis auditrices et auditeurs, s'il faut lire pour nourrir son âme, le gouvernement nigérien a compris, et les partenaires de l'État aussi, d'où l'engagement de la Banque mondiale autour du projet Lire Niger. Au-delà de la faute buzz, concrètement, le projet Lire Niger, c'est 140 millions de dollars. 115 milliards de francs CFA qui a été alloué à l'État nigérien pour améliorer les conditions d'apprentissage et la qualité des enseignements à travers la lecture. Dans un article publié sur le site lesahel.org, pour le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, M. Ousmane Diagana, à travers le projet LIRE, la Banque mondiale a choisi de porter à l'échelle un appui aux efforts du gouvernement nigérien pour renforcer le système de l'éducation. Et selon lui, l'éducation est la base de tout développement d'où l'importance d'accompagner le Niger dans ce projet pouvant contribuer à son développement. Chers auditeurs et auditrices, le but de cette deuxième chronique de ce mois de juin est de vous informer sur la réalité derrière la photo bush du président de la République et la petite fille, dans l'espoir que ma chronique vous poussera à plus de lecture et par conséquence à plus de richesse intellectuelle. On se dit la semaine prochaine pour d'autres chroniques. Paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. À l'instant, teste Olivier. Sur l'émission Tous à la Fada, cette émission consacrée à la jeunesse. Ah, on a eu un boire en salangban. Bibo Kunche, Ninirga Banda, parce que nous conclusions Odin. Aïgeng mille kan, ageng to jeune kulto. D'ailleurs, nous une minute de temps d'antenne. Nema Niger talato kulkango ga émission au hankan. Kandi isse sensibilisation, kay na fo émission au bon. L'instant est solennel. matikina na gihi manda to matkan ainihi da sohon da irma gaban di sensibilisation ga irma hagwai da ledai kanyan irgu ga furu mantinan kulnir furu ihin kan tamu kan aiga ba aimane jeunesse sosai manti civilisation, o hinne irma si ledai utiliser maintenant ledai kan ir fournature ra matonir ga te gi récupérer kan gana imate ir c'est une économie verte wadin mo il faut que chacun dans son secteur d'activité ir mu koy ga la sabu gadi mata kan no ir ga goida par exemple ir wo modora ir gi hin ledai de récupérer ir mite accessoire de mode igi hin ga mulliyan fabriquer kanga nan irga buton yante dai irga hinga pandanti fiyante irga hinga hankorbai yante irga hinga sakki yante donc ça veut dire que irni no deuxième vino borfo dans son domaine aga hinga bargate énergie ya dinga jeune ir mu créer emploi ir mu créer industrie yan ir mu créer eh, entreprise yan kan ganan kan hunkun go nature ra ledai din ir mi récupérer ir mi transmettre en économie verte ay message ya j'espère que message mo amon furo lutahangara biba kunce ma biba neme no mashino gane niger talato me amese ir to hunkuna ir sanni kadde dirqoo imeer gara fuundi dirduu sanniizi fokkir kande hin hosaatu.